Au sortir du comité exécutif, beaucoup de gens me demandaient de prendre l'engagement de respecter cette décision. J'ai dit, je ne peux pas, je ne peux rien signer. Même si vous mettez un couteau sur la gorge, je ne peux rien signer parce qu'il faut que je retourne à Rufus et que je consulte les Quoi. Il y a beaucoup d'incohérences qui ont eu dans cette décision. C'est une décision qui a été prise par la majorité, basée sur la pandémie, et le ratio de match. Mais il y a plusieurs incohérences. Parce que la première décision du comité d'urgence, c'était de faire un système de play-off. Play-off, play-down. Wa play-down, ils sont tous sortis, bras armés à la télé, tous, tout le monde a reculé parce qu'ils ne voulaient pas aller en deuxième division. On ne va pas citer des équipes. Ils ont tous, ils ont envoyé les plateaux, les radios, les télés, pas de play-off, on ne change pas les règles. Nous, on n'a rien dit. Et par esprit de solidarité, j'ai dit Donnons le titre au premier et au deuxième. Ça aurait été deux autres équipes, j'aurais dit la même chose. Donnons le titre aux deux premiers. Faisons monter la Linger et Wakam. Jouons à 16 parce qu'au Sénégal, on ne joue pas assez de matchs. Il aurait fallu une seule victoire pour qu'on prenne ce championnat-là. Une seule victoire. Parce que ceux qui sont derrière, en 5 matchs, 6 matchs, ils ne peuvent pas gagner les 6. À 4 jours. et ils ne pourront jamais nous rattraper à plus 16, plus 12 il faudrait qu'on perde 5 matchs d'affilée 4-0 et que eux ravagent tout le monde et qu'on perde nos 6 matchs. Ce qui était impossible. Il aurait fallu juste qu'on gagne un match. Donc on change les dés, c'est-à-dire le critère, le premier aujourd'hui c'est la pandémie. le wax do on est solidaire. Mais quand on dit ratio de, critères de match dans les playoffs, Tengue n'avait pas besoin de ces playoffs, 6 matchs ñaari match wala peut-être deux matchs nuls parce que dara vont gagner ils sont à points derrière. et la deuxième incohérence mooy dañu FC qui représente toute la ville de Rufisque vous allez représenter le Sénégal en Champions League Champions League vous allez jouer contre qui vous allez contre le représentant de la Guinée disons Oroya ou bien TP Mazembe c'est les champions de leur pays eux, ils sont champions. Quand on va taper dans Google ou le Wikipédia dans 10-15 ans, on verra que nous sommes champions. Mais nous, Tenguek, nous, pas. dans 10-20 ans, si nous tapons là, nous nous sommes en 2020, championnat, il n'y a pas eu de championnat. Il n'y a pas eu de champion. Dans un contexte de corona, parce qu'il y a une prise en charge pour voyager, quand vous voyagez, le kit médical qu'on n'a pas pu respecter localement parce que, faut le dire, la FIFA impose un protocole médical pour les journalistes, pour les policiers, pour tout le monde, pour jouer un match de football. Si on ne peut pas respecter ce kit sanitaire-là localement, comment on peut dire à Tengue FC va le faire en Afrique Un accompagnement sanitaire. Parce que être président, je ne suis pas irresponsable. Le jour où il y aura Corona dans cette équipe, ça serait moi légalement et moralement le responsable de ces jeunes. Peut-être ils ont des frères parmi vous ou des des sœurs ou des cousins ou des cousines. Donc je devrais porter cette responsabilité en Afrique, légalement. Maintenant, tout ce qu'on demande, si Tengue FC est désigné officiellement en tant que représentant du Sénégal pour jouer la Champions League, là où on va aller, ce qu'on rencontre, c'est des champions. Si on va en Coupe des Champions, pour nous donner le titre de champion.